waaw salaamaaleykum euh, maa ngi sant yàlla bu baax di jul si yonent bi di sant suma ñaar waajur euh, di ñaanal euh, Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di wax ni vraiment kontaan naa bu baax a baax tamit di nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo waral lii muy ki nga xam ne tey mooy Ali tey moo waral lii lépp am di nuyu tamit sumay entraîneur ku si mel ne Alioune Sarr ak ak Souleymane Diaw

xam nga ak ak Benjamin ñoom ñoom ñëpp George tout ça parce que xam nga ñoom ñëpp nekk na la xam ni tey vraiment kontaan naa bi ma demee France tey sama combat Lac Rose moo koy préparé ñoom ñoo si nekkoon ak man vraiment di jóg di jóg di daanu di jóg di daanu Ali xam nga rek def li mu war a def lépp lépp li mu waroon def def na ko te yàlla defal na ma jàmm si combat bi yàlla defal ma si ndam kon ma sant si yàlla bu baax sant si yàlla bu baax di leen wax nag ñu leen soyez les comme ni ko mooy ñëw leen si jàmm comme ni ko olof di waxee tamit ñëw nañ si jàmm te yàlla nañ si fekk jàmm tamit demaat si jàmm euh, ba leen fi indi yàlla bu buñ si am lan lan luñ si regretté waaw vraiment surtout Ali moom yàlla moo koy fay li mu def nii daal moo na ko xool benn écrit tamit mënu ma si dara kenn mënu si dara mais bi moon mooy la première première première fois que Moussa Ndoye ànd ak ñoom fu ñu dugg ma dugg fa am na bu fi jaaroon mais dafa am fu ma si yemoon mais bii moom sant naa si bu baax sant naa si bu baax a baax a baax di wax ni lépp lépp lépp lépp grâce tamit ak ñi nga xam ne ñoom ñoo si nekk ak man muy suma entraîneur yi nga xam ne ñoom ñoo si wàllu bëre muy Aliou Sarr Pengouda ak Souleymane Diaw Souleymane Mamadou Sow ñoom tey lépp lépp lépp lépp ñoom la vraiment vraiment parce que ñoom a tàggat ba lii am tey di di wax ni Ali moom li li gars yi di wax rek li li li alxuraan di wax axlan ba saxlan rek laa lay wax waaw kooku moom yow yàlla baax na yàlla moo am fay yàlla dina la fay waaw différence am na ko mooy comme ni ko coach waxee rek parce que boo xoolee ñun suñu ñun suñu xeex ak bërëb yi boo boo defee quatre appuis wala nga àgg suuf wala nga teg si bopp pare nga mais bii di nga dem ba si suuf di xeex da ngay dem ba suuf tamit di xeex te tey li ma boole ñoom mooy ko man dem naa France pour entraîner avant may dem Aliou dafa ne bu ñëwee si man lay si man man maa ko jël moom moo dawal otoom ñëw si man jël si ma yéen a fa la ñëw ba sama kër gi ma nekk seet si ma jël si ma yóbbu ma si salam dama dem mu mujj sal bima salle dama ko arrêté dama ko arrêté continuer di ànd ak Ali mu def si man la xamni ni muy rapidité vivacité force def nako ko si man ba bima ma ñibbisee dañ ma dañ dañ carrément non la nga def yago fa mais gis nañ gis nañ dañ njariñ lu bax mané parce que feulé amul amul amul tricher amul dara liggéey mo fa am Ali ba ànd ak moom liggéey la xam xamul caaxaan man mom man man man pare pour pour nekk élève pour nekk élève pour suivre euh, discipline bi man bëgg naa wax suivre bu baax waaw boole ko moom ak euh, ak ak discipline Sénégal waaw parce que nekk naa xam lu ma neex la parce que man dama ñëw pour partager ak ñoom ma jox leen ñu jox ma waaw man lépp lu ne sama bopp pare naa pour jox leen ko ñoom it lépp lu ne si ñoom xam naa ne dañ ma ko jox waaw parce que am nañ ci yéene gi parce que boo gisee ñoom loolay ma ñoom comme maa ñoom ay ñu bokk ndaay ak baay te ñoo moo am parce que boo ko si gis maa ñoom foo bi kafre ñëpp te xam maa ngi leen doom gis maa ngi leen doom mais sant yalla bu baax sant sant bu baax lepp lepp nak ala la parce que ñi jël lepp rek dañuy delloo mbàttaloo sant ala rek waaw ah. waaw son programme moy gaay gars yi comme dañ war a fi ñew le 30 muy samedi dañ wara defal sargal Moussa Ndoy ak ikri yarax yëpp parce que ku sargal Moussa Ndoy yarax nga sargal surtout ikri yarax Ali bopam lay sargal si tay ndax nga té nga té nit tagal ko tagal ko ba yalla defal ko ci ndam si sa si sa côté bi nga nek nga tagal ko ci ba yalla defal ko ci ndam lolou sant yalla la kon tey le 30 Moussa Ndoye léeg dañ koy defal sargal Moussa sargal Moussa Ndoye muy ancien dispensaire bi nga xam moo nekkoon biiraax bi koñ wal daan ancien dispensaire bu nekkoon foofu fa ñu defee sargal Moussa Ndoye képp discipline bu ne nag am na si ah yaakaar naa taekwondo yi footballeur yi ak ñi nga xam ni képp ku def discipline rek yaakaar naa ñu ngi yaa invité nañ la foofu di invité ñëpp nag mbër sax maa ngi invité ñëpp bàyyiwuma kenn ku mën a ñëw ñëw di invité waale ñi nga xam ne tey ñoom ñoom ñoom ñooy sumay mbokk su xarit su am di jàmm ak képp kuy supporter Moussa Ndoye ak képp fu nit mën a nekk rek maa ngi lay invité pour nga ñëw le 30 à 16h dañuy dañuy def euh, sargal Moussa Ndoye ci ancien dispensaire bi mooy bii koñ Walidane fa lañ koy defee waaw di wax na suma papa yeeg suma maam yi nekk biir rax ngeen ñaan si yàlla def mu am si réussite vraiment di remercier surtout Hann TV man am seen fay parce que vraiment vraiment vraiment lii dafa neex lépp si Hann la Hann TV mooy def reportage bi biir an lañ koy defee lépp moo tax euh, lépp daal dañuy ànd rek ni ànd bi maa léegi dama si dama si def ànd bi kon nañ ànd doon benn jëm sa kanam te yàlla na yàlla def mu doon télé ba nga xam ni télé yëpp dem ba du mel ni canal yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def jërëjëf. asalaamaaleykum waa Sénégal na gën def je suis Diatimélan l'un des élèves d'Ali Ali Yag combattant de MMA et de grappling le MMA il vous expliquer ce que c'était le grappling c'est euh, de la lutte avec, euh, euh, au sol des contrôles, des soumissions. Donc euh, on rajoute toute une partie au sol. Donc moi, en MMA, j'ai 5 combats, 5 victoires. Et en grappling, j'ai gagné les championnats de France, d'Europe et du monde. Récemment, j'ai gagné une ceinture avec mon, partenaire Youssef. On, on, a gagné la ceinture du tournoi de Paris. Le tournoi de Paris, c'est l'un des plus grands tournois à Paris. Et on a voilà la, la ceinture qu'on a gagnée. Donc moi, Youssef, on a, on a euh, éliminé tous les, tous les combattants qui étaient en, en, moins de 84 kilos. Et on a rapporté cette ceinture ici au Sénégal. Donc euh, on est venu parce que, euh, bon, déjà la lutte, la lutte, la lutte c'est une des disciplines qui est la, une des disciplines les plus importantes dans le MMA. Et donc avec les lutteurs sénégalais, on a beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que, comme il disait, les lutteurs sénégalais ont toute leur place dans le MMA, parce que c'est une discipline euh, très puissante. Et en plus de ça, les lutteurs sénégalais sont des, sont des personnes très physiques, très dures, elles ont un, très gros physique. Et je suis content d'ailleurs d'être, euh, de pouvoir apprendre euh, cette discipline aux côtés d'un champion comme, comme Moussa. Et voilà, donc c'est pour ça que samedi, on va, on va venir, on est venu pour échanger justement. On va montrer qu'est-ce que qu'est-ce le MMA et euh, on va en profiter pour euh, échanger avec les lutteurs et avec la population. D'ailleurs, merci à toute la population, on a été très très bien accueillis. C'est vraiment, euh, vraiment une culture que j'adore. Tout le monde, tout le monde aime le sport, tout le monde est accueillant et, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très content. Pratiquer la lutte sénégalaise, oui bien sûr, ça fait partie des, ça fait partie des projets. Quand je suis venu ici, je voulais absolument pratiquer la lutte sénégalaise pratiquer, apprendre aussi, apprendre surtout pour améliorer ma lutte. Et euh, justement, le fait d'améliorer ma lutte grâce aux lutteurs sénégalais. Euh, donc le MMA, justement, ça commence debout. Euh, et ce que je peux faire, c'est que je peux amener mon, combat, mon, adversaire au sol pour le frapper. Donc le fait d'être plus fort en, lutte, ça va faire que je peux très bien commencer mon combat boxé boxer et décider d'amener l'adversaire au sol. Et pour amener l'adversaire au sol, il va falloir que justement j'utilise des techniques de lutte. Ça va être des techniques de lutte que, euh, que je vais apprendre ici, par exemple. Donc euh, avoir une bonne lutte, ça me permet d'emmener mon adversaire au sol et aussi de ne pas me faire emmener. C'est pour ça que c'est important de, bien travailler sa lutte. Un, combattant de MMA qui ne travaille pas bien sa lutte, il a beau être très fort debout, s'il ne travaille pas sa lutte et qu'il combat un combattant comme Moussa, Moussa va très vite l'amener au sol. C'est pour ça qu'il faut justement travailler cette partie. Assalamu alaikum au Sénégal. Je suis Elanor Bakari, représentant du Congo Machine Club. Donc euh, je suis venu sur euh, la Terenga pour euh, justement me ressourcer, partager et apprendre. Apprendre, c'est-à-dire évoluer au, sein de, grands lutteurs comme Moussa Doy. Parce que étant combattant de MMA, la lutte est très très importante pour moi. C'est un point extrêmement positif et euh, cela permet de vraiment euh, évoluer et de, finir un combat rapidement. C'est-à-dire, le combattant en lui-même, il cherche le point faible de l'autre. Il cherche à le déstabiliser. Il cherche à frapper là où ça fait mal. Et euh, pour cela, la lutte est vraiment indispensable si on n'arrive pas à faire tomber son adversaire, si avec toutes les techniques qu'il a, elles sont en vain, ça va le déstabiliser mentalement. Et à partir de là, là on pourra frapper là où ça fait mal. Et la lutte est la clé. Donc j'ai participé à à plusieurs galas, dont le 100% Fight, la plus grosse organisation en France, dont j'ai reporté le titre. Donc je suis le champion des 93 kilos. J'ai aussi euh, fait un... J'ai combattu dans un gala anglais aussi, qui se nomme l'ASFC, où euh, bon, c'est une défaite assez litigieuse. C'était pour une ceinture, mais c'est pas grave. J'ai rebondi euh, en combattant dans une organisation russe qui est le M1, la plus grosse organisation russe. Donc j'ai gagné et que là, m'ont proposé un contrat de six combats, donc je vais évoluer au sein de cette organisation. Et à partir de là, sachant que les Russes sont des grands, grands lutteurs, je me devais de, de travailler ma lutte. Et pour cela, il fallait que j'aille à la, la terre des ancêtres, là où tout a commencé. Me ressourcer. Moi, je suis béninois, mais l'Afrique même, à partir du moment où je suis en Afrique, c'est pareil. C'est pareil. On est là, c'est le Sénégal, l'Afrique, c'est pareil. C'est la terre de nos ancêtres. Il faut, faut, avoir la force et comme on sait tous, c'est que la puissance vient d'Afrique. Donc, ce qui va se passer, c'est que le samedi 30 juin, à Anne, nous allons faire un festival des arts martiaux où il y aura plusieurs disciplines en démonstration. Le taekwondo, le karaté, la lutte ségalaise, le MMA. Et on pourra échanger et se montrer différentes techniques et évoluer ensemble. On a la chance d'être euh, accompagné déjà par notre coach, notre grand frère Aliag, ainsi que euh, tous ceux dont, avec qui il a grandi, et un grand lutteur, comme je l'ai déjà, euh, déjà, annoncé, Moussandoy. Et cela nous fait très très plaisir et puis euh, c'est une chose à faire et on ne pouvait pas passer à côté. Surtout que c'est un projet de longue date qui a été travaillé depuis des années, des années. Donc là, ça aboutit. Là, c'est quelque chose de concret. Donc on va vraiment, on va vraiment tirer tout ce qu'il y a à tirer pour qu'on ressort encore plus riche, encore plus riche de techniques et tout ça. Et c'est là, c'est. De toute façon, on sent la puissance. On on est là, on sait, on sait, c'est l'Afrique, on sait que on est, habité, c'est ça qui est bien. Donc euh, là, là, il faudra même que Moussa nous, apprenne là, déjà rien que la danse, la danse de la lutte sénégalaise, déjà, parce que ça c'est puissant ça. Tu sais, hier j'ai vibré, hein. c'est puissant. Ça, comment on appelle ça déjà Joe Joe, je vais apprendre Joe déjà. Je crois même que je vais rentrer comme ça au prochain combat. Parce que c'est c'est la puissance, la puissance. Game Sénégal, merci à TV.